19h30 sur la télévision du Saloum, le journal au sommaire, chéreté des poussins, des intrants, des médicaments, concurrence déloyale avec les vendeurs des cuisses, tant de difficultés qui gangrènent l'activité des agriculteurs une situation très déplorée par le président de l'association Andosou Khali lors de leur assemblée générale organisée ce week-end à Kaoulak. Et puis ouf de soulagement des utilisateurs du marché central de Kaoulak après l'initiative de la mairie qui a curé ce samedi un canal d'environ 200 mètres, Nos S s'inscrivant dans le cadre de permettre à ces derniers de pouvoir mener à bien leurs activités dans ce lieu de commerce en toute sécurité. C'était tout pour le sommaire. Le développement, c'est pour tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Euh, comme l'annoncé dans les titres, la mairie de Kaulak a curé un canal d'environ 200 mètres au marché central de Kaulak ce samedi 18 mai. Une initiative qui entre dans le cadre de répondre à la demande de la population. Cependant, les commerçants du marché signalent qu'ils sont contents de ces travaux car ça a été ça a été leur souci depuis un certain temps. C'est un reportage réalisé par Sidi Sankaré et Adibaye. La mairie de Kaolack prend les devants en cette période pré-hivernale pour lutter contre les inondations. Après le cuirasse du canal de Marseille-Zeng, vient le tour de celui du marché central ce samedi 18 mai. Ainsi, cette initiative entre dans le cadre de la satisfaction des besoins de la population, en en à cet agent. Aujourd'hui, on est euh, dans le marché pour curer les canons. Tout le monde sait que bon, ce, sont des responsabilités partagées. Il y a les commerçants, la municipalité, mais aussi euh, la population qui vient toujours euh, dans le marché. Parce qu'il y a des, commerçants qui ont construit sur le canal. Il y a aussi les tailleurs qui à chaque fois couvrent les, les, les, les tissus Bon, on a le matcha qui, qui tombe dans les canaux. Il y a aussi dans le mar où des on voit ça. Donc aujourd'hui, on est venu pour cela, c'est un peu les commerçants. C'est pourquoi en collaboration avec euh, l'association DEO, aujourd'hui, on est venu pour tirer le canal. Après le diagnostic de son état, ces professionnels n'ont pas manqué de signaler les désastreuses conditions de ce canal et appellent la population à lutter contre ce comportement aussi des branchements clandestins dans les canons. Il y a dans le marché des commerçants qui ont construit des toilettes et qu'ils ont branché leurs toilettes dans les canons, chose qui n'est pas normal parce que les, canons sont faits pour, les eaux pluviales, pour les eaux pluviales, mais pas pour les eaux usées. Donc ça aussi, c'est un comportement à, à dénoncer. Ainsi, les commerçants et travailleurs trouvés dans ce marché se disent contents de ces travaux et s'engagent à respecter ce lieu. léegi gannaaw bu ñu waxtaan ak ñoom ba pare nag ñoom tam ñu jox ñu accord si li nga xam ne mooy wàllu canalisation yi euh, le treize bi wees nga xam ne def nañ fa réunion ak ñoom Nous sommes vraiment contents de voir ces travaux se réaliser, car le curage de ce canal était notre souci. Les autorités municipales ont eu à discuter avec nous et nous les avons montré que le curage de ce canal est l'une de nos préoccupations majeures. Elles nous avaient donné la date du 25 mai, mais finalement, elles ont su que ceci est urgent, raison pour laquelle elles ont jugé nécessaire de le faire aujourd'hui. Et vraiment, au nom de tous les travailleurs, nous sommes vraiment satisfaits, surtout vu les dispositifs qu'elles ont pris. Nous engagerons à veiller sur ce lieu, car c'est notre devoir le plus absolu. Nous devons le faire parce que c'est nous qui sommes là. Donc, c'est nous qui devons veiller à sa bonne gestion. En cette période pré-hivernale, le curage des canaux devient une existence car ces derniers jouent un rôle important dans l'évacuation des eaux pluviales. En dehors des efforts fournis par la mairie, les commerçants ont l'obligation de veiller à la gestion des marchés, car les responsabilités sont partagées. Merci Sidi et Puis à Kaulak, 4852 candidats pour le CFE et 3978 pour le BFM vont composer pour les examens scolaires de l'année 2024 dans la commune. Et puis 6442 euh, pour le CFE et 4179 pour le BFM, annonce faite par l'inspecteur de l'éducation et de la formation lors d'un comité départemental de développement tenu ce jeudi euh, devant le préfet. Suivant ce compte rendu avec marie Plus de 4000 candidats passeront les examens du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième pour l'année 2024, tout comme le BFM avec 978 candidats. En effet, les acteurs scolaires ont pris les devants pour parer à tous incidents pour une bonne tenue des examens. Euh, l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolo Commune a saisi cette opportunité pour attirer davantage l'attention des participants sur les enjeux liés à une bonne organisation euh, de, ces examens, euh, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple évaluation des élèves, mais il s'agit d'une évaluation de la mise en œuvre de notre dispositif pédagogique, d'une évaluation euh, de l'efficacité et du rendement de notre système. Et nous avions jugé nécessaire d'insister là-dessus pour euh, amener les uns et les autres à lui accorder toute l'attention nécessaire et, requise. Pour le département de Kaulak, 642 candidats sont répertoriés et les mesures préalables sont prises en accord à l'IF. En ce qui concerne l'IF de Kaoulak département, nous avons au total 442 candidats euh, répartis comme suit. Il y a l'option française composé de 5930 candidats et l'option franco-arabe composée de 512 candidats. Ça, c'est pour le CFE. Pour le BFM, la date prévue, c'est le 18 juillet 2024, à partir du 18 juillet 2024. Pour le BFM également, nous avons deux options. Il y a l'option français et l'option franco-arabe. Nous avons au total 4179 candidats répartis comme suit. Pour l'option française, nous avons 40 000 4045 candidats et franco arabe 134 candidats. Parce qu'il va falloir convoyer les présidents de jury pour les deux examens. Et à ce niveau, nous avons besoin de la logistique et d'un appui carburant. Mais également, les collectivités territoriales se sont engagées à gérer tant bien que mal la restauration au niveau des différents centres. Ils se sont engagés également à nous appuyer du point de vue de la logistique, mais également du point de vue de l'appui carburant. Aussi, il a été question d'envisager des solutions pour les établissements inondables, un véritable problème qui n'est pas encore résolu, ajoute-t-il. Oui, euh, euh Commune a cette particularité parce que l'essentiel des écoles et établissements sont des structures inondables. Euh, comme stratégie, nous avons essayé de délocaliser le maximum possible de centres, mais nous avons des limites par rapport à cette possibilité de délocalisation. Maintenant, pour les centres qui ne peuvent pas faire l'objet de délocalisation, nous avons, en rapport avec les sapeurs, nous entendons mettre sur pied un dispositif de veille permanent pour euh, l'évacuation des eaux s'il pleut. Pour le CFE, je l'ai dit tout à l'heure, le niveau se situe entre le niveau bas et le niveau euh, moyen. Mais par contre, notre préoccupation majeure, c'est pour le BFM où le, le risque s'évalue en termes de niveau élevé et très élevé. Les examens scolaires du CFE et du BFM, une étape cruciale pour l'avenir des enfants. Ainsi, tous les dispositifs seront pris en compte par l'ensemble des services concernés pour une bonne tenue des évaluations. L'association Andosso Guinara a organisé, euh, comme chaque année, une assemblée générale ce week-end dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaulak. Une initiative s'inscrivant dans le cadre de tirer un bilan sur leurs activités durant l'année et d'ouvrir des perspectives pour l'année prochaine. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs acteurs du secteur agricole et de leurs partenaires. suivant ce compte rendu. Toutes les parties prenantes et partenaires de l'association Andesokali Guinard ont répondu présents à cette assemblée générale qu'elle organise chaque 12 mois. Une rencontre à l'issue de laquelle le président a fait un bilan de leurs activités avant de laisser les difficultés que rencontrent les secteurs de la filière avicole. Bon, aujourd'hui nous tenons une assemblée générale. Comme vous le savez, moi je voudrais que euh, après 12 mois, qu'on puisse se retrouver ensemble euh, pour discuter d'abord des problèmes de la filière, et ensuite euh, toutes les personnes qui n'ont plus la possibilité de continuer dans le bureau qu'on puisse les remplacer. C'est un peu l'objectif de, l'Assemblée générale de cette année éventuellement échanger avec des partenaires. Nous avons eu des sponsors comme euh, le, le, Amar qui est là, euh, il y a le Provendier NMA, Sandes qui est là et vraiment on le remercie parce que chacun, en ce qui le concerne, a contribué pour la bonne marche de cette, journée. Alors mon objectif, c'est quoi Réunir l'ensemble des éleveurs de la région pour un seul but, les protéger, aller chercher des opportunités pour eux. Parmi ces difficultés, la charité de l'aliment de bétail est aussi comptée, ce qui freine souvent leurs activités. Ainsi, le président revient sur les raisons de cette situation. Des difficultés de la filière, on ne cessera de les énumérer. Vous savez, euh, moi, quand je rentrais dans la filière, c'était en 2011, le prix du poussin n'était pas, était autour d'environ 300 francs. Maintenant, le poussin le moins cher, il fait 490 jusqu'à 545. Non, je parle de prix sorti usine. Mais revendu à 600 francs, 650 ou 700 francs, ou même 800 francs durant les périodes de pointe. L'aliment qui était à 13 000, 14 000 est à 18 500 actuellement. Les médicaments ont subi une hausse d'au moins 50 alors, dans ces conditions, avec un climat qui te fait 40 à 46 degrés, avec des maladies qui sont encore là, récurrentes, avec un taux de mortalité très, très, très élevé. Il y, a, des, fermes qui ont été ravagées euh, totalement. Alors là, je pense que les autorités aussi doivent regarder comment réorganiser cette filière. L'aliment est devenu crucial. on a traversé des difficultés, je, pense que c'était en fin 2022, mi-2023 quand le maïs avait bougé, c'est presque du son qu'il nous donnait. Pratiquement pas de maïs dans le Liban. L'agriculture, un secteur très important dans l'économie d'un pays, mais au Sénégal, nombreux sont les consommateurs qui ignorent leur importance et font souvent recours aux poulet importés car ils ne se soucient pas de la qualité, mais plutôt de la quantité. Place maintenant la page internationale de ce journal. Face à la crise climatique, la FAO anticipe les risques d'insécurité alimentaire. En Israël, trois otages israéliens retrouvés morts à Gaza et les signes Royan Bursam. En un an, le phénomène climatique El Niño a affecté entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde. Afin d'anticiper les risques et de réduire son impact sur les populations, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a initié plusieurs actions. Elle veut ainsi garantir la sécurité alimentaire des plus vulnérables, déclarée en juillet 2023 et prévue pour durer euh, jusqu'à mi-2024. El Niño est l'un des phénomènes climatiques les plus importants jamais enregistrés euh, de l'Amérique latine aux Caraïbes, euh, d'Asie au Pacifique, sans oublier l'Afrique Austral australe et l'Afrique de l'Est, El Niño sévit aux quatre coins du monde, ayant pris conscience des risques que représente ce phénomène climatique. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a initié des programmes d'accompagnement et de soutien visant à garantir la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Euh, ces mesures prises sur le terrain comprennent notamment la distribution de semences tolérantes à la sécheresse et la construction de collecteurs euh, d'eau dans le corridor sec en Amérique centrale, euh, la réparation des points de rupture des berges des rivières en Somalie euh, pour protéger 48 hectares de terre cultivées des inondations attendues. Huit mois après l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, les corps de trois otages ont été retrouvés par l'armée israélienne. Si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclare vouloir poursuivre la guerre jusqu'à l'élimination du Hamas, les avis sont mitigés au sein de la population israélienne. Son armée a découvert les corps de trois otages dans la bande de Gaza. Il s'agit euh, de Shanklouk, 22 ans, Annie Bouskila, 28 ans, et 56 ans. L'attaque du 7 octobre contre le sud d'Israël a fait environ 1200 morts pour la plupart des civils et environ 250 personnes ont été prises en otage par le Hamas. Près de la moitié de ces otages ont été libérés lors d'un cessez-le-feu en novembre dernier. Israël affirme que les militaires du Hamas détiennent encore une centaine d'otages et les corps de plus de 30 autres si les soldats déclarent dire les informations sur la centaine d'otages toujours entre les mains du Hamas. La situation semble être une impasse. Merci Royan Diouf Sambo. C'est cette page internationale qui m'est fait un rendez-vous d'informations, mais ne zappez surtout pas la version OLEF à 20h. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.